Ir Niger izey, labo ir wono, ‘yan kasan Niger, ta mu ce, in mu gina kasamu ba wanda zai gina ta. Ir Niger izey, labo ir wono, ‘yan kasa Niger, ƙasa ta mu ce, in ba mu gina kasamu. Parce qu'elle est plus précieuse que l'or et l'argent. La paix est une richesse qu'un pays a besoin. Préservons-la, cultivons-la car elle constitue le socle d'un développement certain. Mettons à l'écart nos convictions et nos intérêts égoïstes car ce qui compte, c'est l'intérêt du pays. Le Niger est un et indivisible. Fraternité, travail, progrès. J'aime le Niger. Bonjour et bienvenue sur la rubrique L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes. sur la Salafada, l'artiste s'exprime. Vous êtes connectés un peu partout au Niger, à travers nos 46 radios partenaires, à travers nos 6 télévisions partenaires, vous êtes connecté depuis Agadez. Merci pour votre marque de confiance. Tout ce qui me kiffe, je parle aussi connecté depuis Difa, Dosso, Maradi, Zender, Niamey, Kolo, Torodi, Saï. Vous êtes sur l'émission Tous à la Fada. La rubrique L'artiste s'exprime est consacrée justement au quotidien de l'artiste nigérien. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux hommes, deux artistes, deux jumeaux sur cette rubrique. Vous allez donc découvrir un certain nombre de choses à travers cette rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous les connaissez certainement, vous avez l'habitude de les voir sur les réseaux sociaux et à la télévision. Alors je parle, tout le monde en parle. La semaine passée, c'était leur anniversaire et nous avons décidé, puisqu'on fait avec l'actualité, de faire venir ces artistes sur ce plateau pour qu'ensemble nous puissions parler de leur vie, pas seulement artistique, mais carrément même de leur vie. Vie et vie, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je commencerai par ma droite. Lui, c'est Hassan SOS. Tout le monde te connaît par son nom. Oui. Hassan SOS, ok, d'accord, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu peux déjà me parler de qui est Hassan SOS, s'il te plaît Ok, Hassan SOS à l'état civil, mhm. c'est Chebounori mhm. Hassan. Donc c'est mon prénom, Hassan Chebou Nori. Hassan Chebou Nori, voilà. C'est le nom de l'artiste. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas. Tu es né en quelle date Je suis né le 30 novembre 1995. Donc, tu es né le 30 novembre 1995. Monsieur, nous te souhaitons la bienvenue de cette émission. Merci beaucoup. On peut avoir ta date de naissance euh, je suis né le 30 novembre 1995. Il est né aussi le 30 novembre 1995. Mesdames et messieurs, nous sommes avec les jumeaux Ousseini et Hassan sur cette émission. Certainement beaucoup d'entre vous euh, ne le savent pas, mais aujourd'hui on reçoit l'artiste Oga Slamer et l'artiste Hassan SOS pour qu'ensemble nous puissions parler de leur œuvre, de leur vie artistique sur l'émission Tous à la alors Hassan, tu peux déjà me dire quand est-ce que tu as commencé, euh, bien évidemment, à chanter, parce qu'on sait aussi que tu as une chanson. Ok, est-ce que tu peux déjà me dire quand est-ce que les choses, euh, ok, d'accord, déjà l'idée de chanter était venue D'accord. Mhm. D'abord, l'idée de chanter, c'est depuis euh, l'orphelinat, c'est depuis au village. Mhm. Donc, à bas âge, il y a beaucoup d'activités qui se passent là-bas si tu veux être euh, euh, dans le basketball ou bien tu veux faire du foot ou bien tu veux faire la musique. SOS, Justement. SOS, ils ont des cadres spécialement pour que chacun... Donc tu as passé une partie de, ta vie ah au ah. sein du village SOS. Oui. ok, SOS Village. De 95 à aujourd'hui. De, ta naissance à aujourd'hui. De, ma naissance à aujourd'hui. Waouh Là, cette année, ils vont me donner l'autonomisation. Ok. Donc quand tu deviens majeur, tu peux bien Faire. Donc là, on t'autonomise. Ok voilà, maintenant, il peut prendre d'autres enfants qui ont besoin de ce soutien. Bien sûr. Donc, tu as 18 ans 25 ans. <laughs> C'est une façon de parler. <laughs> Alors, dis-moi, tu as passé ta vie aussi au sein du village Ouais, j'ai aussi passé ma vie. Ok. Euh, bon. J'ai aussi passé une partie de ma vie. Ok. Et lui, il a atteint euh, le niveau autonomisation. Mais moi, j'ai pas, pas atteint ce niveau-là. Ok. Voilà. Donc, euh, tout ce que Dieu fait est bon. Ok. Tu as déjà quitté le village J'ai déjà quitté le village. Tu étais autonome avant lui J'étais autonome <laughs> avant lui. je sais que c'est le fond, <laughs> il aime te faire ça, le mec. Ah, il est autonome. Toi, t'es pas encore autonome. Hein? Si, si. Ah, ok, d'accord. <laughs> Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs, les jumeaux ont vécu quand même une partie de leur vie au sein du village. SOS euh, n'est-ce pas, village d'enfants. village d'enfants. Super. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un mot à l'endroit parce que vous êtes en cas eh, des bons, des bons, des bons exemples, eh bien évidemment à suivre. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des autres enfants du SOS, à l'endroit des autres enfants aussi qui regardent cette émission Aujourd'hui, tu as une référence dans la photographie. Aujourd'hui, il y a une référence, et eh bien évidemment, euh, dans, dans, le slam. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit des autres jeunes pour leur dire que c'est possible Voilà, euh, il faut simplement croire. Quoi. Ouais. Ceux qui nous regardent depuis SOS Village d'enfants. Donc, mon message à tous les enfants et à tous les jeunes qui sont euh, actuellement au village d'enfants SOS, c'est de leur dire que de continuer à persévérer, à étudier, surtout à suivre leur études et de, vraiment croire, De croire en eux parce que on est, né juste deux jours, trois jours, on a reçu par SOS Village d'enfants. Donc si aujourd'hui on est là, on, lui il est devenu islamien, je suis photographe, c'est grâce à SOS Village d'enfants. Bien sûr. Parce qu'on a d'autres. Et grâce à vous aussi, parce que vous savez là où vous, allez. Alors, Hassan, nous animateurs en dehors de musique de photo, kandagte uh-huh. nous avons une émission forme quand c'est le rythme du Niger uh-huh. est-ce que vous de une émission au bon la barre TV Eh, rythme du Niger émission wani émission no kan aisingi hay kulkan giti artiste maga kan gana artiste yan émission wani beki wono zamir na mo ba fona ma sentu sinamu wakan maga no ayin isigira o singi barkan dun gina na mahagoi din hari aran bai barwana aba jama wannan ga irkitiro din irkitiro irwon deno irwon irma ban a Je sais que récemment, tu as représenté vaillement le Niger hors de nos frontières. Tu as représenté les couleurs nationales. Affiche Mali. Maintenant, l'islam est dans nos Mali. Maintenant, on est Niger représenté Et voilà, moi j'ai ma façon propre à moi de, de me représenter et de ah. représenter mon pays. Parce que quand tu as un talent et que ce talent parmi tant d'autres de talents. Il faut savoir se différencier. Maintenant, à chaque fois que j'apparais sur scène, c'est de l'art. C'est du spectacle. Et tu vois un artiste devant toi. Euh, un artiste qui dégage de l'émotion. Et ça a été très, très, très bien. Le public malien était vraiment avec moi. Ils étaient très, très, très contents. Ce qui m'a valu d'avoir euh, l'accès à l'enregistrement de deux sons dans, la, dans, un label, mhm. la maison Agoratoire. c'est tu es jaloux le mec, il est jaloux. <laughs> il est jaloux. voilà. Super, en tout cas, nous te félicitons sur cette émission de Passage ferai une mention spéciale à nos amis de Tamani, euh, n'est-ce pas, de la Fondation Hirondelle. Big up à vous, vous faites du bon boulot. De l'autre côté, les, vous avez aussi, euh, bien évidemment, euh, l'émission Tous au grain. Ok, d'accord, une émission consacrée à la jeunesse malienne. C'était donc... 1 eh, sangi terminator 1 ban mm. kan de dirni charku bay dura yeah. hey